Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes là au dernier match de la soirée qui oppose l'ASC Diaméreo à l'ASC Fasmao. N'oubliez pas que les trois matchs qui, sont, se sont déjà déroulés se sont passés comme suit. L'ASC Mandela a battu l'ASC Yeo par un score de 1 but à 0. L'ASC Tenbi et Nasurulai se sont quittés sur un score, nul de 1 but partout. Et l'ASC Sam 3 a battu l'ASC Montagne 3 buts par 1. mesdames et messieurs, je suis là avec le président de la zone 10, à ma gauche. Je vais lui demander comment vous allez, monsieur le président. Je vais bien, Voilà, monsieur le président, hier et aujourd'hui s'est déroulée la première journée des Navetan de la zone 10. Alors, toutes les équipes ont joué. derrière nous, il y a le dernier match qui est en train de se dérouler, qui, a, qui oppose l'ASC et l'ASC Fasmao. Alors, Comment trouvez-vous le déroulement des, des, matchs de, de, ces premières journées Avant tout, nous rendons grâce à Dieu, Souvent wa ta'ala, alhamdulillah. On a démarré le CNP 2018-2019 de la zone 10 au niveau des stades à San Diego. Hier, on avait deux matchs. le premier opposé l'AS, le train du titre, à savoir l'AS Medina Fas contre l'AS Ngalam. Mais on a constaté une surprise aussi. C'est l'ASC Galam qui a battu l'ASC Medina le 30 bat 2 buts à 0. En deuxième période, c'est opposé l'ASC Sekamba à l'ASC Diapo et c'est l'ASC Diapo qui a remporté le match par 2 buts à 0. Aujourd'hui, c'est... on a joué 4 matchs. Le, premier opposé l'ASC Yeoutep à l'ASC Mandela qui s'est soldé par 1 à 0 à faveur de l'ASC Mandela. Deuxième match, l'ASC Nasrullah et l'ASC Tenbu, match nul 1 but partout troisième match, l'ASC Samsung 3 a renversé la tendance en battant l'ASC Montagne pour 3 buts à 1. Monsieur le Président, si nous voyons tout le dispositif que vous avez mis en place, les supporters ont répondu présent. Il y, a toute une équipe d'organisation derrière vous. Vous avez organisé la première journée avec brio. Comment est-ce que, quels sont les moyens que vous avez pris pour pouvoir réussir ce défi Tout d'abord, la zone a grandi. Hein, la zone 10, euh, c'est une zone référence au niveau du département de Pékin. L'année dernière, comme je vous, je, vous ai, dit tantôt, on a joué des matchs 100 heures. La plus belle finale de l'ODECA de Pékin, c'est la zone 10 qui l'a organisée. Nous touchons du bois. cette année, on a renforcé tout le dispositif sécuritaire, le volet organisationnel, la mobilisation des supporters. Tout cette osmose, la zone 10 veut redorer le blason que mon prédécesseur Mohamed Sark je rend un vibrant hommage, à laisser un leg qu'on doit perpétuer parce qu'on on ne fait que sur ses pas. Maintenant, quel message allez-vous donner aussi aux équipes, aux supporters et à vos collègues pour les journées à venir Je lance un fair play, CNP, zéro violence. On a 13 équipes Malheureusement, on avait au début 14 équipes, mais l'ASC Djambarde s'est désisté au dernier moment. Maintenant, on a 13 équipes. Je lance un appel à toutes les ASC, aux supporters, de cultiver le fair play. J'ai un CNP sans violence, sans heure et que le maire gagne. Monsieur le Président, en dernier lieu, comment trouvez-vous la collaboration avec Elvision Média Elvision, machin spécial, comme je vous dis, machin spécial. Et je remercie de passage mon ami, mon frère, hélas, il abat un travail colossal au niveau de la commune de Djambagan-Sikambao pour vulgariser la zone. Je remercie Elvision et je vous souhaite le meilleur. D'accord. Merci le Président et bonne chance pour la suite. merci.

donc yàlla def aussi ñu tenté ko mu commencé am réussite macha allah donc ñoom ay xale lañu. donc ñu def ko ci cadre football ak fo agréé donc entre Diamy Réew ak Fass ay dëkkandoo lañu parce que suñu ñaari équipe vétérans yi ñooy joué ndoo chaque dimanche donc fair play bi war na mën a exister donc yàlla mu ngi bëgg a may 3 points yi donc dañ koy sant yàlla suñu borom di wax Fass aussi démérité wul équipe bu baax la yor ay joueurs yu baax la championnat bi demagul fenn mu commencé donc euh, voilà euh, bonne continuation. d'accord hmm. léegi ban ban message ngay jox say supporters ak say adversaires ci journée yi di ñëw. waaw man may si WhatsApp tout le temps donc toujours euh, si Cap Mbao la nous, gagné toujours hein. donc ku mu mën a doon ku ne rek euh, dalal la si say supporters malgré que y a yoo xam ne dañ ci raxte bokk ñu ci mais ñooñu pour identifier leen du difficile quoi mais ñi nga xam ne dañ ci bokk ba ñu xam leen ñoom nañu demee yar ak teggin ak mun a dajale mbooloo mi ba ñu xam ne kii mooy njiit mom ngi wote jamm dañ ko ci fekk malgré que ne am na ñoo xam dañ ciy dugg duñ ci bok kenn mënu leen daan fii mais après peut-être euh, nañ leen mën a ben par ben donc lool da lay lancer pour tous les ASC ñu def ko ci fo ak ree xamné ñun ñun kese la donc euh, amuñu luñ ci gagné daal voilà merci monsieur le président bonne santé je suis là avec le coach de l'ASC Fass coach naka la amer amer ah xam nga waaw bisu ndam moom bisu ñak du bisu ndam ah dañ koy asante yàlla gërëmee ko yàlla te liggéeyaat rek te xam ni bisu ndam bisu ñàkk bisu ñàkk du bisu ndam on a perdu mais on a perdu li tax ñu perdu te woon gagné gagné nañu quoi. mais li ma bëgg a xam réellement mooy qu'est-ce qui s'est réellement passé parce que instant bi ngeen di dugg si ñun ñu ngi woon ci tribune di jël image yi mais ba ngeen di dugg si gars yëpp dañu tourné sëpp di leen xool ni ngeen di dugg ni ngeen di génnee si oto bi di dugg ci stade bi ne bande yu mag yaa ngi nii naan punkal yaa ngi nii donc lan moo tax.

Maintenant, coach, quel message allez-vous donner à vos supporters et à vos joueurs pour les matchs à venir Nous savons que nous nous nous nous bu waré baax day day day metti man des bu Nous ñak rek damay damay parce que dama dama am ngëm-ngëm d'accord coach Diamy euh, coach tay nu ñu Nous match bi da nga ñëw nga wax waaji parce que ba mu dañ doon xaar ni que match bi tey du yomb ci sa côté mais on a vu que da nga ko éliminer à 2 buts à zéro yan dispositif nga jël pour mën réussir boobu performance. d'accord bon d'abord bon maa ngi koy ziar vraiment déjà toute l'équipe euh, euh, Fass Mbao vraiment tamit encore ñu nekk équipe bu mag équipe bu ñu jox cër équipe bu ñu respecté respecté bu ñu leen jox tey moo tax tey yàlla jox ñu ndam ndax dañ leen jox respect trop quoi bon dañ dañ préparer dañ préparer boy euh, si ñetti mbir bon ñetti mbir yooyu mo moo ŋànk sport ñetti mbir yooyu moy discipline rigueur caractère yakarna naa lolu boko amé ci amee sport rek da ngay dem fune bon si lolu lañ leen bon indi leen si lolu ñaax leen si lolu gëmlu leen lolu ba tay li am quoi. vraiment maintenant ban message ngay jox say supporters say joueurs ci match yi di ñëw. bon comme comme lu may wax rek bon li avantage bu reuy la. comme nga ñew sa première match bon genn sé genn bu rafet ni bon da fay am ben engouement muy jox xam nga bon nawetaan lii moo koy dooleel. sa premier match boo dóor rek la plupart supporters dañuy ñëw bon magu koñ bi ñëw ñëpp ñëw teg loxo comme ça mu yokk quoi vraiment xam nga booy liggéey nañ liggéey bu rafet. te te lu ñu leen wax rek loolu lañ appliqué quoi vraiment kontaan na match bi neex na bal bi daw na bon nous, avons ben dernière 20 minutes de pression, nous avons marché bon mais après dañ deux ñaari nous avons nous première bon un défenseur bi may défenseur bon vraiment di euh, supporters bon di nous, wax ni c'est la famille quoi merci beaucoup. merci. merci.